dernier jour de la semaine, chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu. Bonjour, vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalangu euh, à travers nos radios partenaires et un streaming sur notre site web www.studiokalangu.org. Je suis Samira Wafi et à mes côtés Ali Monkaila Seni alias Seno 50%. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais super bien. Samira. À la régie, euh, la technique est assurée par euh, Mustafa Ayuba et Adamadawaki Adawaki et à l'édition. Alors, euh, rappelle-nous le programme de ce vendredi. C'est nous. Euh, dans cette édition, nous recevons d'habitude un invité cette fois-ci, nous avons un promoteur d'une maison d'édition qui signifie la plume au service de la société. Il s'appelle Abdel Nasser Manousekou et comme chaque vendredi, vous suivrez la revue de la presse. Pour l'écho des régions, nous ferons un tour à Ayoro, région de Tilaberi, pour parler des violences basées sur le genre. Et comme d'habitude, il y aura de la bonne musique 100% nigérienne dans notre playlist euh, qui a été concoctée pour euh, ce jour. Restez câblés pour euh, ne pas rater une minute du programme. C'est parti. Sans plus tarder, voici le Flash Info avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Samira Roafi. Euh, bonjour Ali Moukela Ousseini. Le flash d'information à présent une unité de l'opération al en mission de sécurisation à Kandaji a été violemment attaquée par plusieurs centaines d'hommes armés au guidon de leur moto, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale d'hier jeudi 28 septembre. On déplore le décès de 12 soldats, dont 5 euh, des suites d'un accident de circulation, 7 au combat et 7 blessés évacués au centre hospitalier des armées et 4 véhicules endommagés. Une centaine de terroristes, leurs motos et armements ont été détruits dans la zone de Tijan, village situé à 20 km au nord-est d'Ayoru, conclut le communiqué. Les acteurs de la société civile et les artistes engagés du Niger ont organisé hier jeudi 28 septembre un meeting panafricain avec l'activiste Kemi Seba à la place dite de la résistance. Urgence des panafricanistes Niger organise cette rencontre en mémoire de la date anniversaire du nom de Sekou Touré et Jibo Bakari au référendum du général Charles de Gaulle euh, du 28 septembre 1958. Nous sommes derrière le CNSP, nous les encourageons, mais nous estimons que le peuple souverain doit être au cœur de toutes les décisions, déclare le président du Front patriotique pour la souveraineté, Anas Gibrilla. La ministre de l'Éducation nationale, Madame Elisabeth Sherif, a donné hier 28 septembre à Niamey le coup d'envoi de l'acheminement du matériel scolaire à l'intérieur du pays. Il s'agit d'un peu plus de 450 tonnes de matériel scolaire pour les régions de Maradi, Zender, Tawa et Dosso en prélude à la rentrée scolaire 2023-2024 prévue le 2 octobre. Le lot du matériel académique intervient trois jours après l'envoi par voie aérienne d'une cargaison de matériel dans les régions de Difa et Agadez qui sont les plus éloigné de Niamey. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 29 septembre 2023. Merci infiniment, Mokhtar, pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, euh, comme annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, dans notre rubrique Invité du jour, nous allons recevoir dans quelques instants M. Abdul Nasser euh, Manou Sekou. Je rappelle qu'il est écrivain et promoteur d'une maison d'édition. Mais avant de recevoir notre invité, comme d'habitude, nous allons vous permettre de vous installer confortablement avec euh, la première musique de notre sélection. Il s'agit bien du titre Groupement Nanésé de Mali yarou On écoute et on revient juste après. te nya kul ka mor ku ka te kul ka mor ku ka te L'artiste Maliaro n'est plus à présenter euh, dans cette émission du Niger sur Kalongu. Euh, c'est le leader vocal du groupe euh, Gombe Star, un groupe qu'il a créé depuis 1996 en compagnie de quelques amis. Un groupe de musique qui fait vraiment la fierté de la musique nigérienne. Ses chansons sont tellement populaires et surtout dans ses chants teintés d'amour, de réjouissance, il appelle beaucoup à la cohésion sociale. Jeune vertueuse de la musique nigérienne à la voix suave, voilà, autodidacte, j'allais dire. Il a été couronné plusieurs fois meilleur artiste musicien nigérien et a participé à de nombreux événements culturels comme le Festival international de la mode africaine FIMA. Il a ensuite connu une carrière extraordinaire qui l'a amené à se produire en Hollande, au Maroc, en Belgique et aux États-Unis et dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Maliaro à son actif 9 albums. C'était là le titre euh, groupement Nanaï de Maliaro. Après cette pause musicale, chers auditeurs, revenons à notre invité du jour. Eh bien, euh, aujourd'hui, euh, nous allons recevoir, comme on l'avait annoncé, M. Sekou. Bonjour, pouvez-vous un peu nous parler de l'histoire et, de la et de la mission de votre maison d'audition ici au Niger oh, Merci. Je réponds au nom de M. Manu Sekou Abdel Nasser, je suis écrivain et éditeur, soit le timon des éditions PSS, qui ont été portées au fond bâtiment depuis avril 2016. Donc, euh, pour ce qui est des éditions PSS, les éditions PSS euh, visent à faire euh, la promotion de toutes les virtuoses littéraires au Niger. Ceci dit, celles de surcroît qui ont un certain épanchement pour la chose littéraire et qui puissent avoir de la matière qui a un certain intérêt. Parce que c'est ça le rôle de l'éditeur. Pitcher euh, d'entre les ouvrages qu'il reçoit, des ouvrages qui ont une certaine portée, qui ont une certaine valeur, pour en faire la promotion, pour les ébruiter. Mhm. Donc, euh, dans ce sillage, euh, nous nous sommes spécialisés, généralement, enfin, nous sommes spécialisés mhm. spécifiquement dans la promotion de la littérature générale, ce qu'on appelle la littérature générale. Mhm. Ce sont les œuvres allant du roman, de l'essai, mhm. des poésies, de la nouvelle même et du théâtre. Donc, substantiellement, c'est là la ligne éditoriale mhm. de notre maison d'édition. Parce que pour chaque éditeur sur il a une ligne éditoriale. Ce mhm. n'est C'est pas comme ça, juste vous amener un manuscrit s'il n'a pas d'intérêt euh, qui s'allierait à la ligne éditoriale de, de l'éditeur ne va pas le publier. C'est ce que les jeunes très souvent ne savent pas parce que vous allez contacter une maison d'édition, vous lui envoyez votre texte, vous trouvez que vous n'avez pas de réponse ou de suite favorable par rapport à vos expectatives. Sauf qu'il faudrait déjà savoir si le genre littéraire ou le manuscrit que vous essayez de lui proposer fait partie de sa ligne éditoriale. Mhm. Sinon, vous ne pourrez pas avoir un, certain attémoignement de de la maison d'édition à proprement parler. Donc ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que tant que l'œuvre ne fait pas partie de votre ligne éditoriale, vous ne pouvez pas travailler avec l'auteur. Alors, ça dépend, parce que là, euh, de façon euh, consubstantielle, oui. Euh, par contre, il y a des auteurs qui viennent vers vous qui ne demandent pas l'édition, parce qu'il y a une nuance entre l'édition et l'impression. Il, y a déjà des auteurs qui ont leurs manuscrits qui sont publiés quelque part. Mm. Euh, comme ils ont leurs droits, ils ont la possibilité, lorsqu'ils sont dans un contrat non exclusif, de publier avec un autre éditeur. Sauf que là, euh, ils se basent plutôt sur la qualité du contenant, c'est-à-dire euh, comment nous faisons les livres et tout la ça. La couverture. Justement, la qualité du papier. Alors, sinon, forcément, même quand vous prenez, pour ce qui est de l'héritage des grandes éditions de production littéraire, en Europe, euh, aux États-Unis, elles sont vraiment dans cette espèce de moule. C'est qui est un peu très compliqué parce que souvent, enfin, de plus en plus, on a des ouvrages dits libres, sauf que ces ouvrages dits libres dérangent un peu. Et nous, euh, nous avons, parce que c'est ça aussi euh, l'avantage d'être avec un éditeur écrivain, parce que on ose un peu plus, on essaye souvent délaguer un peu ces petites barrières, ces petites lisières éditoriales mhm. lorsque l'ouvrage a une certaine signification, on essaie d'en faire la promotion. Parce que Jean de Labrière lui-même disait que lorsqu'un ouvrage vous élève l'esprit, qu'il vous procure de nobles sentiments, ne cherchez pas une méthode pour l'apprécier, pour le juger. Il est bon, il est fait de même ouvrier. Et donc, forcément, on essaie de donner la chance, surtout aux jeunes littérateurs. Quand je parle de jeunes littérateurs, c'est pas eu égard à l'âge, non, non, non, c'est eu égard à la productivité, à la production. Parce que vous avez 80 ans, euh, vous avez votre premier ouvrage, vous êtes un jeune <laughs> littérateur. donc, c'est cela aussi. Euh, euh, une maison pour les jeunes, mais surtout une maison euh, qui n'a rien à envier aux autres structures éditoriales parce que nous prenons vraiment sur la qualité des textes qui nous sont soumis. Euh, déjà, la littérature, lorsque vous prenez dans sa crudité, sa définition, c'est la promotion, plutôt, c'est l'ensemble des œuvres littéraires, des œuvres écrites, orales ou qui soient, qui, qui soient abscrites, mais qui ont une certaine esthétique. Et donc, euh, on essaie vraiment d'allier ces trois éléments pour faire le choix de nos ouvrages. ok Et faire voilà. Merci beaucoup, euh, Monsieur Sikou. Avant de continuer notre entretien, marquons une pause avec euh, la revue de la presse présentée par Rafika Taher. Bonjour, Rafika. Bonjour, Samira. Comment ça va Ça va bien, merci. Alors, en attendant, les soldats français Sylvain Ité, l'ambassadeur de la France au Niger, a enfin quitté le Niger, nous annonce l'actu Niger. Effectivement, Samira, le désormais ex-ambassadeur de France du Niger, Sylvain Ité, a quitté Niamey aux premières heures du mercredi 27 septembre à bord d'un avion spécialement dépêché par les autorités françaises. Comme annoncé par Emmanuel Macron dimanche dernier, il ne reste plus que le retrait d'ici la fin de l'année des 1500 soldats français stationnés dans le pays pour que soit définitivement actée la fin de la coopération militaire entre le Niger et l'ancienne puissance coloniale. Pour l'ancien ambassadeur déclaré persona non grata depuis un mois par les nouvelles autorités nigériennes, ainsi que les quelques diplomates restés cloîtrés avec lui au sein de l'ambassade de Niamey, c'est certainement un véritable ouf de soulagement. Après près de deux mois de vives tensions entre Niamey et Paris et des semaines de calvaire dans les locaux de la chancellerie mise sous blocus par les forces de sécurité nigériennes, ils ont pu enfin quitter le Niger pour regagner la France. C'est désormais chose faite pour le cas des diplomates et il ne reste plus que du calendrier de retrait des troupes françaises du Niger. Le gouvernement de la République du Niger rappelle qu'il doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité, avait-il indiqué, avait indiqué le porte-parole du CNSP dans le communiqué sus mentionné. Lutte contre le terrorisme, d'importantes euh, saisies opérées hein, par les FDS nigériennes, euh, signe Niger Inter. Oui, c'est nous sur divers théâtres d'opérations, Cette semaine, les forces de défense et de sécurité nigériennes continuent les actions de lutte contre les groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés. Des actions qui rentrent évidemment dans le cadre de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, comme en témoigne le bulletin des opérations numéro 06 barre 2023 du 25 septembre 2023 qui fait état de plusieurs saisies opérées par les FDS ainsi que des individus suspectés mis hors d'état de nuire. Entre autres faits apparus dans le bulletin des opérations, les FDS ont réussi à démanteler un réseau de malfaiteurs autour de volets de meurtres dans le quartier centre aéré de Niamey, dans l'ouest du pays, à Tilaberi, dans le cadre de l'opération al le 11 septembre dernier. Les forces de défense de sécurité ont appréhendé et conduit à Sakwara Famal, un individu suspecté de complicité avec les groupes armés terroristes. Au niveau de l'opération Nia, à la rive droite du fleuve, des opérations menées dans le village de Yabal, Taka et Bandio ont permis d'appréhender 20 suspects, de neutraliser un terroriste, de détruire 15 tricycles, 25 motos ainsi que de saisir une importante quantité de pièces détachées et 10 000 litres de carburant destinés au groupe armées terroristes. Rafika, parlons maintenant d'urgence humanitaire. Au Niger, la crise alimentaire persiste en 2023 selon euh, CICR. Oui, dans ce secteur, le Niger continue de faire face à une crise humanitaire aiguë et complexe marquée par la continuation des conflits armés, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des phénomènes climatiques extrêmes, a indiqué dans un communiqué ce le lundi 25 septembre le Comité international de la Croix-Rouge. Selon l'ONU, International basé à Genève en Suisse en 2023, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle persiste au Niger malgré une campagne agro-pastorale satisfaisante dans son ensemble. Beaucoup de disparités entre les régions et à l'intérieur de ces mêmes régions subsistent cependant, précise le communiqué. Selon CICR, en 2022, plus de 86 500 familles avaient bénéficié du plan d'urgence lancé par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les huit régions du Niger. Si le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire a quelque peu baissé en 2023, indique la même source, la situation reste critique pour des centaines de milliers de familles ployant sous les effets combinés de l'insécurité, du changement climatique, des prix élevés des aliments et des conséquences des récentes inondations. Merci euh, Rafika pour euh, la présentation de cette revue de la presse. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'était là la revue de la presse. Poursuivons avec notre invité du jour. Il s'agit bien de l'écrivain éditeur, Monsieur Sekou. Euh, pouvez-vous euh, nous donner un aperçu des projets ou des livres à venir que vous êtes particulièrement enthousiaste de publier alors, euh, sans pour autant faire une redite de ce que j'avais à dire d'entre les jeu, mhm. euh, nous essayons toujours d'avoir l'œil. Avoir l'œil, c'est quoi C'est d'essayer de trier au volet d'entre la curie et l'ouvrage qu'on reçoit mhm. pour euh, porter au fond baptismaux euh, certains projets pour qu'ils puissent atteindre une certaine chrysalide. En tout cas, pour tout écrivain, euh, tout jeune littérateur, son subjonctif serait de trouver un éditeur qui pourrait permettre à ce que son ouvrage voit le jour, mais surtout qu'il soit bien référencé. Donc, donc dans ce sillage, euh, comme nous avons eu à le faire l'an passé, tout comme l'an surpassé, nous avons encore une jeune petite littéraire, mhm. cette fois-ci âgée de 15 ans, quelques mois, euh, qui va apparaître très, très, très, bientôt. Euh, l'an passé, par exemple, nous avons publié la plus jeune écrivaine nigérienne. L'an surpassé, euh, c'était le plus jeune littérateur nigérien, le plus jeune auteur. Ils étaient respectivement en première, en seconde en terminale. Voilà. Donc, euh, à chaque moment, on essaie de voir. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire que la virtuosité ou encore la rationalisation ou la capacité de pouvoir émouvoir de par ses textes euh, soit relative à l'âge. Non, ce n'est pas une question d'âge, euh, sinon ce serait quelque peu absurde et abscond dans le jugement. Mhm. Donc, on essaie. vous savez, savez-vous que, par exemple, la plus jeune autrice nigérienne, elle avait plutôt africaine, elle avait publié son ouvrage, c'est une Congolaise, à l'âge de 8 ans, 9 ans. Donc, euh, la littérature n'est pas alors une question d'âge. 8 ans, 9 ans. Oui, oui, justement. <laughs> sauf que euh, s'appelle Michel Le quoi. Quelque chose comme ça. Hmm. Euh, sauf que je suis d'accord que, que la maturité s'acquiert avec l'âge. Mhm. Donc là, nous avons quelques projets de, jeunes littérateurs et euh, tout comme euh, il y avait trois ans, mhm. il y a quelques projets à caractère euh, politique. Non pas que notre maison ait une structure politique, non, mais plutôt nous encourageons la liberté d'expression mhm. parce que la littérature sans liberté d'expression serait comme une femme sans ses atours, donc elle vaut rien, <laughs> justement. Euh, toujours dans ce sillage, nous sommes en train de, de préparer des séries d'ateliers et des conférences euh, allant dans le sens, comme nous avons eu à le faire euh, dans de nombreuses années. En tout cas, nous sommes la seule maison d'édition qui propose ce genre de service gratis mm. au profit d'un public un peu plus jeune encore. Euh, je parle là des, des jeunes déjà de, en classe de 6e, 5e, 4e, pour essayer de stimuler en eux ce bourgeon de créativité qui souvent n'ont besoin que d'un petit pousse, un petit coup de pied. Ben, alors, ma sœur, en parlant bien sûr de de créativité, comment est-ce que vous adaptez votre stratégie face aux évolutions technologiques et aux changements de comportement de lecture alors, euh, vous savez, euh, dans chaque environnement, il y a certaines évidences et certaines réalités qui sont là. Par exemple, au Niger, le livre déjà n'a pas de grande audience. Là, les lecteurs que vous avez, ils sont soit sélectifs ou encore ce sont des lecteurs euh, d'occasion. C'est même un lecteur d'occasion Là, vous avez un exposé ou plutôt vous vous ennuyez, vous lisez juste euh, et après, il faut des mois après pour revenir. Donc là, moi, je vous parle de lecteurs ponctuels. Alors, face à ces évolutions technologiques liées aux NPIC, euh, nous sommes en train de réfléchir et déjà nous avons fait un premier essai à mettre des plateformes au travers desquels euh, les lecteurs pourraient s'acquérir les œuvres nigériennes, euh, bien entendu en payant quelques écus, ce qu'on appelle des droits de lecture. Mais la grosse difficulté, euh, c'est de pouvoir maintenir ces ouvrages sans qu'ils ne soient plagiés ou plutôt reproduits illégalement, que ce soit pour lire ou pour travailler ou encore pour les vendre. Donc là, ça devient un peu compliqué. Pourquoi ces révèches C'est parce qu'il n'y a pas véritablement de chaîne de livres. La chaîne de livres, c'est d'aller de la plinte à la cime, vous avez tous ceux qui doivent euh, travailler de conserve comme bibliothécaires, euh, éditeurs, libraires, des gens qui sont là pour faire la promotion que du livre. Donc comme mhm. elle est rompue, malheureusement, nous sommes en proie à des difficultés euh, qui sont inhérentes non, seulement, pas seulement à l'édition à proprement parler, mais aussi au fait que le Nigérien déjà c'est quelqu'un qui est actuellement euh, dans une phase pré-puberté, euh, entre griffes, pour ce qui est du livre. Donc là, nous sommes toujours dans la sensibilisation. Euh, il faut lire, déjà comprendre ce que c'est. Mhm. Mais pour ce qui est des plateformes, même si elles sont d'accès libre, le Nigérien, déjà, il n'est pas un très gros, gros lecteur. Ce ne sont pas toutes les personnes qui arrivent à s'y intéresser. Et déjà, n'oubliez pas que le taux, le taux de couverture en termes d'Internet au Niger, est très, très faible. Il est mhm. encore inférieur au taux de bancarisation qui est inférieur à 12%. OK. Alors, alors, euh, quels sont les projets de développement futur de votre maison d'édition pour renforcer la scène euh, littéraire au Niger alors déjà, euh, nous essayons de, nous, envisageons de placer des antennes parce que c'est vrai, nous avons eu à travailler avec des écrivains de, plusieurs régions. Je citerai Agadez, nous avons un petit chef Zender, Maman, Tilaberi. Mais comment faire en sorte qu'on puisse avoir un représentant dans toutes ces régions pour euh, permettre à ce que tous ceux qui sont entre griffes euh, futurs littérateurs mhm. puissent avoir euh, la lanière. La lanière, c'est quoi C'est de pouvoir accéder à notre maison d'édition sans que ça ne soit par l'entremise d'Internet. Mhm. Parce qu'il y a des zones ou euh, Internet encore, c'est très compliqué. Donc toujours ces mailings, non, non, non. Ou encore, il faut envoyer par le truchement d'un bus euh, son ouvrage tapis euh, tapuscrit pour que ça vienne comme la poste un peu. On est en train de voir comment décontainer ça, comment de mhm. pour qu'on ait des représentants un peu partout, ça et là, mhm. afin que le livre puisse être traité ou encore reçu avec une meilleure célérité aussi, nous entendons de plus en plus euh, nous faire euh, un peu plus présent un peu plus présents ce cas. Euh, vous savez, déjà, le travail d'un éditeur, euh, tout comme euh, le travail d'un littérateur, ce n'est pas comme le travail d'un commercial. Vous savez, le littérateur, dans sa consubstantialité, n'est pas quelqu'un qui est à l'affût euh, de cette chose un peu souvent, disons, dois-je dire, complètement dérisoire, qui est la notoriété. Non, mais plutôt c'est quelqu'un qui est sur fond d'une certaine réputation ou de certaines convictions, qui essaie de faire un travail sérieux, pour un public sérieux. Donc, on essaiera, en tout cas, dans les semaines à venir, à être un peu plus présent sur les médias comme vous le faites en nous conviant ça et là, mais surtout en organisant des standings. Mais toujours est-il dit que même là, il y a euh, des petits cafés philo, littéraires qui sont organisés, au travers desquels on donne la latitude à ces écrivains de faire leur référencement, de se présenter au grand public et de briter autant que faire se peut leur production littéraire. Super, super. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation du studio. Quel nous vous souhaitons une excellente journée. Merci bien. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangu se poursuit et c'est l'heure de notre euh, rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous parlerons de la culture nous allons à la découverte de l'histoire euh, du Tumba. Oui, Mira, le Tumba est une musique spécifique au département de Gaïa. Dans la région de Dosso, plusieurs thématiques sont abordées hein, dans les paroles dont, euh, par exemple, Kwaya Hayan, qui veut dire euh, l'abus des spécifiants, chanté par Ousmane Gourey. Daouda, plus connu sous le nom d'Alpha Blondie de Tanda. Il est aujourd'hui euh, l'icône de cette musique mythique. Il est entouré par euh, Mokhtar Hamadou. On l'écoute. il faut ga ci tumbawo a tarifi ine boro ma har qui nan kan ne ga duwa ni na hari ha nan kan iga bai ga kaki tumbawo asulo kwankwan bani ga nasi kwankwan badin dimi foyan no kan yango gana kan sai igane kwankwan ba kan yan alwate di dabuyan te isi kulu igan dingai harai ze hambagar niga dan baba bai kan te kasi to dan baba harai dindimai kwan bai harai no da te no iga sabo ga kar to imo adan diga ka yadin hinne ina ate kayanti iwo kayanta ni ga kar hinna a baragate tumba dinga ga ba ngano baragate tumba ba ngano i baragate tumba me wato tumba sanni sino ba dai no konkomba izai konkomba izai mai no sintin kanna me nan godan di kan ba awara kwara fo gona kan sai ton dika ga labora nago nodin no tumba sintin tum tum tum manna sintin ga forote eh din ni bai dabar ga fawo ni ga sintin no baba hauga mhm. zama aiwo bumboye masintin ka donu irkwarara na ina sintin tanda na ina sintin yawu ni gane bore kan na tumba sintin yawu tondika yo kala ka dandi ne harai bage da nau ana tumbati bage da nau din da nau daino wala ya chasi ne pa pa no don kono a ga jibbo gaya jibbo asulo garu ta no garu zeno ngamo te. koy masu jama ya fa bore di kulu ikani so jibbo gana son kala ya haye tumba a ditan da kota so hawa gona liman no asi tumba sanira so koi ma ida kai ke banda nan go ga ganda wora man da man dai no iga bai kan tumba gono tanda ganda tumba tara tumba gono kyasa tumba gono kyasa an kyasa duk sakwangi birni tumba gono da iguno ko canwo gonda tun ba kan gono ni gani haro bandan to songo ga yo kulkan nila sabri se wo fu tun ba dai no ga hansa bore bejan di dai nan gonda di kan ba wara wallahi on kuna bore yo gaba da yana bor kunu dawo kan ga bejan di no dama yo ndi wato goje na iga forunda ai goje karo ko ninga talfo ta ho gitar na forun da goje wana no kanu wal gitar wana no kanu eh, goje wo se kar gitar gami ganda gitar ifai bo bun bo ma goja kani kabisa gitaro ni goja karo kan sifuna amma dube kulkan kan nan go sambu to goja kari in kano afa lamurja ni gana se lamurja ikoy ninga talfota hal ho ye du goja kari mamasi na ikoy du wanga morafiu ni gana se zama ngano inda na marfadono te a marfadin kan bore gama ni non marfadono te ai non marfadono te an ga nige ga sambir se gin da faru kai na marfadono ne ma irma mama da kanda gote da ma dai gama na tire lo kan mantira diora Ya bismillah rabbana sarki in Allah mai saman bakwai daidai in Allah mai kasan bakwai sarki taimaki 'yan Nijar gaba ki dai a wasa. A wasa. Do albabu londi songo nango gaidai na ran garan foro te wala igihin garan burnyar makwai nangu foyan garan foro. in mana gai kafunu bindin kabibun bo. Nigeria nyamai wo hali gadu kurai kan rayu mar fora sin ya dinga so manti dan dora manti dan dikan bahina ga baran foro tun bawo manti dan dikan wallahi tun ba borai ga bara gumo to alfa il ifo ga kina fanda na fa kan ni dona ga du tun ra. to wallahi na fa kam irdu walai mane aidu tun bara lalle ai hiji ara ai haimo tubari kalla igan warai ikoi mafunandi ikoi ma izaitai sai albarkanta ni duba cina ni mota dai ni kan ba zibi hari kan ba zibi wo irko mana kan da gina amma ni bai nijar wo kultiro kalsu iga moru dai yadin bokul ne tumba iga bai da kalfa blundi gonino so ni gono ga boriyan so la kan ba ir ko te ko ni ngal fota ko suba e gi hinga ko da foro da gina a ah, ah, son ho de ai wo aga to han fo ai ga te ba instrument wala handu ay man do no ko kiano go ta e go wani bore be gendi gumo gumo gumo alfa bulon garan fondo ko to ma da mo sabu Voilà, c'était là euh, Alpha Blondie interrogé, Alpha Blondie de Tanda, bien sûr, faut pas vous aller euh, <laughs> vous euh, méprendre, interrogé par Mokhtar Hamadou. À présent, faisons une autre euh, pause en musique avec le titre Toubalokar du groupe Toubal de Dessous. du Dosso euh, du Niger a incarné euh, une véritable célébration de la richesse culturelle et musicale de l'Afrique de l'Ouest en général et du Niger en particulier. Leurs mélodies euh, et leur rythme captive plutôt l'âme de ceux qui ont la chance de les écouter. oui, lorsque l'on plonge dans leur musique, on est immédiatement transporté dans un voyage au cœur euh, de la tradition nigérienne. Les sons envoûtants des instruments traditionnels et modernes créent une toile sonore riche en nuances et en mélodies. Chaque note est imprégnée hein, de l'histoire et de la culture de la région, racontant des récits anciens et transmettant une sagesse interporelle. Ce qui distingue particulièrement l'orchestre 2 de c'est la manière dont ils parviennent à fusionner harmonieusement les éléments traditionnels avec euh, des influences contemporaine. Leur musique transcende les frontières, créant un pont entre le passé et le présent tout en restant fidèle à leurs racines. C'est un exemple inspirant de l'évolution de la musique nigérienne. Et oui, les performances live de cet orchestre sont une expérience incomparable. L'énergie hein, contagieuse qui émane de chaque musicien. La danse gracieuse euh, des artistes et l'interaction avec le public créent une atmosphère électrique et festive. C'est une véritable célébration de la vie et de la diversité culturelle. C'était là la musique à de l'orchestre Tobala de Dessous. Voilà, chers auditeurs, c'est le moment pour nous de découvrir le euh, l'écho des régions. Euh, cette fois-ci, nous partons direction Tilaberi, n'est-ce pas Exactement où à Ayerou, dans la région de Tilaberi, les autorités sanitaires prennent en charge les femmes victimes de violences. Un service dédié à appeler service d'assistance aux victimes des violences basées sur le genre a été créé au sein du centre de santé Intégrée CSI de la commune. Euh, ça marche, comment ça marche Réponse avec Rakia Oumarou, euh, sage-femme et responsable du service VGBS. OCSI Daïrou. Elle est au micro de Salamatu Kadri. Yaya matan ke gane yadda ayyukanku suke? Muna da mata da ake ce ma rile su suke zuwa su waye musu kai suke gwada musu inda muke abin da yasa aka zaɓi a zo cikin likita ma saboda harkar sirri ne yanzu in ka tashi ka ce zaka zo likita babu wanda ya san me zaka zo kai kenan matan da suka turo ki sun miki plan daga kin zo kin san ina zaki gane mu wurin da muke bai yiwa ma wani ya gane ki in kin huto bane ba haka an yi katari wani ya tsinkaye ki ba kuma mu aikin namu babu wani takurawa ko tilastawa mutum kundura raɗin kan shi ne. Wane irin nau'in matsaloli ne kuke aiki a kansu? Harakan mata da mazan suke ba su kashi, yara ƙanana da ake ma haɗe, ko da ma mata armin ma ana iya musu yaɗe. Akwai kuma yara ƙanana da ake musu armi. Akwai matsala da yawa ke iya zauwa bisa ga wannan. Akwai matan da mazan su suna da halin da ya kamata su ci da su, amma bisa yi. Da matan da mazan suke walakanta su suke ci musu mutunci. Sai ki ganin namiji daga ya salamo ko kina cikin yaran ki ya shiga miki rashin mutunci ko ya mare ki ki ko ya zage ki ko kuma kina cikin kawayen ki ko makwabtan ki kawai shi bai jin kunya ma ya zage ki ko yayi ko zan wani act da zai ata miki rai ko za ku iya bamu adadin matan da ke zo muku a kowane ini muna iya samun kama ko ka hakan ga ko udila da samin tunda wani bi a travel la sensibilisation sai ki gani matan mutum in sai ya ji kamar dai gare shi ne ake yanzu sai ki gani mutumin kawai a fure ya zo ya iske ki a madam wallahi da su kin yi wannan hira gaskiya ni ma ina ciki irin matsalan nan masa. matsaloli ne kuke fuskanta a cikin ayyukan naku? Lefri su wanda difficulty in mata suna zakuwa ba su samun taimako. Kamar macen da ta zo mijin ta bai ci da ta tana da ɗiya biyar ko shidda ko bakwai batta da sana'a yi to ya ne za ta ci da yaran nan. Kamar irin wayannan suna buƙatar taimako hannun jari haka abin da dai za su samu su dogara da kansu don su taimaka ma yaran nan nasu. Yanzu mace kin zo mijinki ya shi miki ya karya miki hannu ko ya shi miki ciwo dai da lalle lalle yana buƙata a sai magani. To wanda ya miki wannan gaskiya yana lokacin ma da zai sai miki magani kenan shi ma wannan ma su ma da ka'in suna bukatar dai tallafi abin da za su samu su rika sayan magani ko kuna da abokanan hulɗa akwai wani da dama da suke intervenir su ma yawanci in mun samu in muna da muna yi in kuma abin bamu da shi sai mu tura musu suna taimaka musu Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Après l'écho des régions, place au sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Mira. Adam, les régions de Niamey et Tawa abrite depuis quelques jours des sessions de formation à l'endroit des jeunes stagiaires sur l'initiation à l'arbitrage. Eh bien oui, cette session de formation concernera les huit régions du pays. À Niamey, 90 stagiaires reçoivent cette formation avec l'instituteur CAF et FIFA Issa Nyandou Boubacar. Quant à la région de l'Ader, elle concerne 30 stagiaires et conduite par euh, les formateurs Daouda Gounou et Alassane Bonkano. Cette série de formations est menée par la Commission centrale des arbitres, qui veulent élargir le corps arbitral du football nigérien. Adam, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Gibril Hima Hamidou, a participé au Caire en Égypte à une réunion du comité exécutif de la CAF dont il est membre, n'est-ce pas Bien sûr, c'est nous. cette réunion devrait notamment décider des pays qui organiseront les deux prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour rappel, le Maroc accueillera la 35e édition de la Cannes 35 ans après l'avoir organisée en 1988. Le trio Tanzanie, Ouganda et Kenya a également été officiellement confirmé comme hôte de la Coupe d'Afrique 2027. Ce sera la toute première fois que l'organisation de cette compétition concernera les trois pays. Et eh bien, c'est tout pour cette euh, chronique sport. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam. Passons à présent à notre portrait et dans la rubrique portrait du jour, nous allons à la rencontre de Aïcha Seydou Yakuba, artiste chanteuse et membre du collectif Sou, un collectif de chanteuses engagées entre autres. Elle célèbre et mettent la lumière sur le rôle essentiel de la femme nigérienne ainsi que les efforts déployés en faveur de son émancipation. Son portrait avec Fanta Shamsou.

Cette voix, c'est celle de Aïcha Seydou Yakuba, plus connue sous Aïcha Trifel. Elle fait partie des huit jeunes filles qui composent le collectif Son Niger. Âgée de 27 ans, Aïcha s'est découverte une passion pour la musique depuis sa tendre enfance. Actuellement étudiante en administration culturelle, Aïcha nous parle de ses premiers pas dans la musique. Ma passion pour la musique, ça a duré. C'était un déclic avec. Il y avait ma tante qui chantait d'une autre part. Elle s'appelle Hadiza Mangou. vous la connaissez. C'est la grande sœur de ma mère. Avec le temps, je devenais consciente. J'aimais la musique bien avant et j'ai commencé à, à avec la troupe Mama qui de Maradi de l'Alliance française. Sani Bouddha qui m'a beaucoup aidé. J'avais commencé avec euh, la poésie et en poésie, j'ai eu l'idée de mettre des petits chants que j'interprétais, des chants Hausa, des, petits contes qu'on nous racontait dans notre enfance. Au fur et à mesure, je grandissais, la voix changeait, je me disais que c'était plus ça en fait. Donc j'ai travaillé, travaillé, travaillé avec Sani Bouddha avec lui. J'ai participé à mon premier festival. C'est après l'obtention de son bac que regagne Yamé pour poursuivre ses études où elle a rencontré d'autres acteurs musicaux qui l'encouragent et lui ouvrent des portes. Aïcha travaille chaque jour pour s'effrayer un chemin. J'ai rencontré Philo Ladiva, Bernard Big B, euh, qui est connu par beaucoup d'artistes il a un studio d'enregistrement. et j'ai été membre de la chorale Colombe de la Paix. Je me suis améliorée avec eux en chant. C'est grâce à eux si ma, voix, en fait, j'ai pu travailler cela et j'ai persévéré. J'ai commencé à faire des petites vidéos de gauche à droite que je postais au début. Et les gens m'ont c'est là où on m'a approché pour The Voice. J'ai dit toi, qui ne tente rien à rien. J'ai fait ma vidéo de Dondi qui m'a beaucoup aidé. J'ai envoyé, je m'y attendais pas. J'ai reçu le message où on me disait vous avez été sélectionné pour participer à The Voice. Et dans 480 candidats, je faisais partie des 7 qui avaient été sélectionnés. Dans une société conservatrice comme celle du Niger, Aïcha a rencontré quelques difficultés avant de se faire accepter. En tout cas, une fille chanteuse, c'est pas facile. Au Niger, mon premier combat était ma famille, mes parents, surtout mon père. Ma mère me soutenait. C'était pas facile. Il était réticent par rapport à mon ambition de devenir chanteuse. Mais j'ai persévéré, j'ai montré que vraiment je suis amoureuse de la chose. Le chant ne peut pas m'empêcher d'avoir ce que je veux de, dans ma vie sociale et dans mes études. J'ai fait tout parce qu'il attendait de moi beaucoup par rapport à mes études. Je fais de mon mieux et il a compris que vraiment le chant aussi m'a ouvert beaucoup de portes en tout cas. Parce que on m'appelle beaucoup, surtout pour des petits contrats. J'avais pas besoin de, de, faire appel à mon papa. Les contrats me, me, permettaient d'être autonome. Alhamdulillah, je dis Dieu merci. Aujourd'hui, lui et moi, avec, par rapport au chant, ça va. Du moment où je, travaille, je, je dis bien, ça ne le dérange pas. Cette persévérance fait d'elle une personne très appréciée par ses amis. Je m'appelle euh, Moussa Soumana Elle a une très belle voix, Allah. Et je pense que c'est naturel en elle. C'est Dieu qui l'a créée ainsi. <laughs> On l'adore tous. Aïcha rêve de fonder un foyer et plus tard de dédier sa voix uniquement à la cause féminine. Euh, c'est le rêve de toutes les filles. Dans 5-10 ans, je me vois chez moi. Un mari, des enfants, un bon travail respectable. Je vais continuer à chanter, mais bon, ça sera plus dans le cadre de sensibilisation. Je vais utiliser ma voix au profit de la société. C'est mieux en fait parce que je me dis que chanter, tout le monde peut chanter, mais chanter pour sensibiliser, ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Tu vas chanter pour raconter ta vie, mais ta vie, tout le monde <laughs> n'a pas besoin de la, de la connaître. Donc, concentre-toi sur les problèmes de ta société. Et il y a des voix qui doivent se faire entendre, surtout les voix féminines. Et là, je vais persister, je vais persévérer et je vais me faire entendre. Merci bien Fanta Chamsou pour ce très beau portrait de Aisha Seydou Yakuba, une artiste chanteuse. Passons à présent au loti du jour qui traite de l'importance de la carte d'identité nationale. C'est un document administratif servant à justifier l'identité d'une personne. Et oui, aujourd'hui, certains euh, citoyens ne connaissent pas euh, l'utilité de cette pièce d'identité. Les femmes du studio Kalangu nous édifient sur le sujet. On les écoute. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. talale ‘yar uwata kina lahiya, ya ne, ya hanya, ina fatan dai kin kamo wasu abubuwa ko? Ke, kakki kara mini haushi kin shi ko? Yau ban zo da shi ba. Allah ya baki hankuri. Me ya faru? Wa ya sa ki cikin wannan halin? Koko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa. Hm, inda ma shi ne, bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan. To am shiga ruwa ki sha. To gaya mini me ya faru? Ina so in ji abin da ya sa ki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci. Hmm, in na haɗe miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan ya mai ba kya yarda ba. A kan kowane iyakar gari, na ce miki sai an sabke mu, an tsaida mu. Abin bai birge mu ba ko kaɗan, wanda ya sa kenan muka yi latti. A'a, dan me yasa ake jida ku daga mota kuma a mai ku? Ko ko kun kwaso sayan kwaya ne cikin mota? Hmm, a'a, wai kawai dan saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti didantite. He ka ce, dole ne ka yi shi haba ke ko yar uwata ai wa'anda sun kashi da ku suna da gaskiya tun da ke ga kun keta doka ai ai katin zama ɗan ƙasa dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta inda ya kai shekara goma sha takwas wannan shine ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi don ba a sani ba abin da ke iya faruwa kariya kariya da mi kuma da wa cikin ƙasa ta fa nike wani irin abu ne zai same ni gaskiya ni dai in haka nan ne ko ba na sake zuwa birnin nan ba can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku amma ina son ki san da wani abu katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana tara ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba goma sha tara na ranar ɗaya ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu ke shahamun lahiya kin shigo kiri kika san komi in dai bisa kai ga gaiki ne kam na san abubuwa da yawa to tsada in gaya miki kin ga katin dan kasa tun da baki iya yawo da takarda ki wannan sauki ne da an kan muku abun da bisa takarda aihuwarki shi dai ne ake rubuta bisa kan katin dan kasa don ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali kuma ki gani cikin wannan rashin samun kwanciyar hankalin da muke ciki kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba kai kai kai kai subhanallahi Allah ya tsare mu kuma in wani abu ya same ki wani hatsari ko wani abu bani fatan shi amma in kina da katin ɗan ƙasar ki tare da ke wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma 'yan uwanki kenan haka ne yin wa'annan takardun yana da muhimmanci abin bai taɓa zuwa mini a kaina ba To, kin gani kina da shekara goma sha tara. In kina son ki ta ki ɗauko wani sako, ba ki iya yin shi in dai baki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko aika ka aika ma wani da kuma harkokin banki dole sai da kati. Ke dai bari kin gama komi ai na gane duka daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali ke balle kuma ke ma ba kya samu damar cewa ba ba kya aiko mini wani abu ba dan ban ne da kati a gaskiya ina baki kwarin gwiwa ai dai zancen kuɗi ne nan da nake kike fahimtar abu ha na gane fa <laughs> ba ni ruwan nan ki ga in sha amshi Voilà, c'était euh, le loti du jour présenté par le desk femme du studio Kalangu. Nous poursuivons cette fois-ci avec la culture linguistique et aujourd'hui, l'expression du jour expliquée par Alamine Ouachar en français et à Tamachek est langage des signes. C'est à l'occasion de la semaine internationale des sourds. Alamine, bonjour. Bonjour Sino, bonjour Samira. Dans le cadre de la Semaine internationale des sourds célébrée du 23 au 30 septembre 2023, en cette occasion, on définit la langue des signes. Les langues des signes sont les langues visuelles, gestuelles, employées par les personnes sourdes ou miettes ou malentendues pour communiquer en utilisant des mouvements des mains, des visages et du corps dans, l'ensemble, dans son ensemble. ناول فلقنا ويقلنا صنايا مدي العلامتين استون ولانجاج دي سون إيموس أول تاجينيتي دون ورنسلو تاجينيتي دون ورنهني تاجينيتي دون وينستو دتسلين نسن فلقنا ويقلن أدشي ولان سرطية مدى أننا سرطية استرت نمتكوي isfossa made shitta made ghimi made ghelem net artan wind mosan ardagharatan wina shawalanitiri wurnisullu made nannu winastu dettasalinnasan made winas langirtadadin tasalay dhiban awal agni awal wa antastaanu awal naitirin wimurnisul sinamara Merci beaucoup Alamine, chers auditeurs. Si vous avez euh, vous aussi d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, d'amples explications en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Tout à fait, Mira, il est même temps pour nous euh, d'écouter nos auditeurs. sunana Abduljalil shebu bawa nan garin dogon dutse ne gaskiya studio kalangu babu abin da mu ca sai dai mu ce dubun gaisuwar fata alheri zuwa gare ku mun jinjina mu aikin ku kuma muna jin daɗin labarun da kuke bamu kama abin da ke burge cikin studio kalangu mutane gare su wa'anda za su baka labari su fayyace maka duka abin da ake nufi da labarin nan a yi maka shi da yaren turanci a yi shi da hausa a yi shi da zabarmanci duk yaren da kake yi sai ka gane to yanzu cikin garin gandogon dutse abin na farko dai ina gaida ma'aihiyata ina gaida kakana bawa da abbakin gida zamni ina gaida su yoro gangala fami ina gaida sulum konga to ni sunana umaru sanda muna gaida video studio kalangu domin sababbin shirye-shiryen da waɗanda suka yi suna birge mu kina nan mai fu gari a abin ta bengoni ngoni ile da mai fu da hu mai getti hu shirye-shirye jidin da bengoni ngoni gada ha hayi do don dudo to men ngoni min getti kinna nan ya aminu do to wani men da Ibu Ben umaru yan be fu jampele men ngoni do en wuro wurejo na suka jamfele wala alhamdulillah ay mo gar mun kayla kan sigi ne sai kursa kam ha jo kan go la go kan si bon fere zamba yi go labuwa ni yin no yi hangan labuwa ni an wo harajo kene kene labara kai gima bon ni shi mara harajo bai robo ya dinga ta alikuno yi shi gima ya go kane sai ko mu kan shi yo digina jama'a ko ya sine kanin ba kufo sun da yi gufo islamu jama'a kuse iko mu konda haraja gine da go tere kan gabon iko mu ibu akumo are fe iko mu kanin sai laka kana ilabora jan na jankirdo hidiyo kalangu suna mini abin da ni so sun da kaga yanzu in an kai magana kawai da turanci na in ban gane sai a mai da namu yaren hilatan shi kaga sai in gane kenan ni tunan sun gama min komi ni ina jin daɗi kai ni dai komi na su birge ni shi kai ko da yaushe dai ni in isa ina jin daɗi har da in an ka sa kiɗan na ana sai tidiyo kulangu ina gaisa ina gaisa shanuna ina gaisa uwayena oui, à l'instant, c'était bien nos auditeurs. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas aussi de faire pareil. Envoyez-nous vos euh, messages vocaux et vous allez les découvrir dans cette émission. Quelques minutes à passer ensemble et nous allons euh, écouter une musique avant de se dire au revoir. Ça sera le titre Mandula de l'artiste Ali Macao. C'est parti. ne mai sanda da mutum ɗan garba ɗan zulai da malam ya'u. Ni maki mai sa ai mamaki hadiri sa gaban ɗin da kake so makaɗin ɗan alƙali. maka makaɗin ciro mu Esu Aliyu uban Batula baban ummi uban sa'a mai sa'a na siya na giya da masu injin naira. Garin su baba marafa mai martaba uban shagari daraktan jama babban hotel. Makaɗin Alhaji Salam manzo ah, mijin uwa ne baban Ladi. A ah, makaɗin Alhaji Hassan Isuhu dan Isuhu uban Isuhu uban Sama'ila baban baba. Nous sommes à la fin de notre émission. de Niger sur Kalango, vous étiez en compagnie d'Ali Monkaila Ouseni alias Seno 50% et de moi-même Samira Wafi. Et si vous, avez, vous nous avez bien reçus chez vous, c'est grâce à euh, Yakuba qui était à l'édition et, et, qui était plutôt à la technique et Adam Adawai qui est à l'édition. Ne ratez pas l'actu des jeunes et tout ça la FADA samedi et dimanche à partir de 17h et sur les ondes de nos radios partenaires. Passez euh, d'excellents week-ends. Bye bye.